Il est 18h15 à Dogondouki, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Comment prévenir et gérer les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le département de Dogondouchi L'agriculture et l'élevage constituent les principales activités de la majorité de la population du département de Dogondouchi. En raison de la complémentarité de leurs activités, agriculteurs et éleveurs ont cohabité durant des siècles malgré les quelques heures mineures. Selon la Banque mondiale, l'agriculture constitue la principale activité économique du pays et contribue jusqu'à 40% au PIB, produit intérieur brut. Ce secteur agricole qui n'exploite qu'environ 12% du territoire national connaît cependant d'innombrables défis d'ordre climatique, démographique et à cela s'ajoutent les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Mais la poussée démographique et la raréfaction des terres agricoles ont détériorer les rapports entre les deux communautés. C'est pourquoi il a été demandé aux autorités administratives et coutumières de la localité de s'investir pleinement pour atténuer les conflits entre les communautés. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers une analyse et des explications le rôle et la contribution des différents acteurs dans la prévention et la gestion des conflits dans le département de Dogonbuki, mais aussi espérer obtenir des recommandations pour la promotion de la paix et une meilleure gestion non violente des conflits. Nous sommes sur le plateau de la radio Dalol FM de Dogondouki, la radio partenaire du studio Kalangou pour développer ce thème. Pour ce faire, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir l'honorable chef de canton de l'Arewa, Amadou Sabo. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Magoudani Alpha, secrétaire permanent de la commission foncière départementale COFODEP de Dogondouki. Bonsoir Alpha. Bonsoir. Boubacar Mamman de la plateforme paysanne. Bonsoir Boubacar. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. On commence avec vous, honorable chef du canton de l'Arewa, Amadou Sabou. Quels sont les types de conflits les plus fréquents qu'on rencontre ici à Doganduki, dans l'Arewa Salam alaikum. Merci à Radio Dalol, merci à Tido Kalangou de me questionner sur les différents conflits dans le canton de l'Arewa. Les conflits euh, rencontrés sont ceux qui suivent les conflits, les dégâts champêtres, les dégâts sur les jardins, les dégâts rencontrés sur les, les champs en, période pluviale et il y a des conflits qu'on rencontre sur les couloirs de passage, sur les heures de pâturage et autres, ce sont les différents conflits qu'on rencontre dans le département de, de ou les cantons de la Honorable chef, quelles sont les causes de ces conflits Les causes sont multiples. Pour les dégâts champêtres, il y a le commencement de la saison pluvieuse avant que les éleveurs se rabattent sur les couloirs de passage. Ils se permettent d'aller dans les champs. Donc c'est le premier conflit. Il y a le deuxième conflit encore. Ils descendent précocement à la fin de l'écriture. Avant la libération, Avant des, la champs. libération des champs. Ça, c'est le plus majeur problème qu'on rencontre, la descente précoce. L'autre conflit aussi, il ne faut pas oublier à aussi des cultivateurs qui se permettent aussi de barrer euh, les couloirs de passage, de grignoter. de grignoter sur les couloirs de passage et les aires de tirage aussi. Donc c'est des compris qu'on rencontre actuellement mais ce qui est de trop euh, fréquent, c'est la descente euh, précoce qui nous cause problème, surtout, surtout si on fait un regard derrière l'année euh, passée. Honorable chef du canton de Réoua, qu'est-ce que vous faites ici au niveau du canton et au niveau du département de façon générale pour prévenir ces genre de conflits, surtout à pareille période Notre rôle même, c'est de prévenir. Avant qu'on gagne un problème, il faut qu'on fasse des préventions. La prévention qu'on fait, on fait des sensibilisations avant la saison pluvieuse et après qu'ils vont descendre, on fait des sensibilisations, surtout les zones où cohabitent les éleveurs et les agriculteurs. À chaque année, j'essaie avec le, le, maire, le préfet et autres, on fait des passages à chaque moment pour sensibiliser tous les deux parties, et pour les amener à raison, pour les amener à respecter en tout cas les lois prévues par le Quadrénal. Donc ça, c'est fréquent, on fait ça tous les jours on fait dans les radios, on fait ça même dans les baptêmes, on fait ça même par quelle rencontre. En tout cas, dès qu'on a l'occasion, on fait euh, sensibiliser les gens. Il y a même euh, l'État aussi, euh, cette année qui s'est passée à travers le préfet, qui nous a aidé beaucoup avec les forces de l'ordre quand ça va dégénérer. Donc il y a beaucoup de, trucs qu'on a fait pour quand même juguler, pour qu'on fasse la campagne sans et sauf. Honorable chef de canton de l'Arewa, quelle est la contribution des différents acteurs et des leaders d'opinion de l'Arewa que vous êtes pour une bonne coexistence pacifique Ce qu'on fait d'abord, c'est d'attirer l'attention des gens et des autres que ce soit éleveur, que ce soit agriculteur, il y a des lois. Il faut que les gens connaissent ça, respectent ça, strictement respecter, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Si je prends un, agriculteur, tout celui qui grignote ou qui barre la route ou qui fait un champ sur le truc de pâturage, celui-là, il est en infraction, il n'a qu'à cesser. Si je pars aux côtés des éleveurs, il faut que les éleveurs sachent qu'à partir du moment qu'on a semé, l'AREWA a prévu des couloirs de passage l'AREWA a prévu des zones de pâturage, même des zones de, repos. Il faut que les éleveurs se disent que s'ils vont respecter ça, ils vont traverser sans et sauf, sans aucun incident, sans aucun problème. C'est à cet égard-là que je dis à tout le monde, que ce soit éleveur, que ce soit agriculteur, de respecter au moins ces signes-là. Avec ça, on peut vraiment finir. Parce qu'avant tout, on veut que l'éleveur et euh, notre, agriculture, c'est les deux piliers de l'économie de l'AREWA il faut qu'on s'entende et il faut qu'ils s'entendent et il faut que vraiment on respecte les uns et les autres pour que aille notre économie bien et Merci bien, honorable chef du canton de l'Ariwa. Nous allons à présent donner la parole à Magoudani Alpha, qui est le secrétaire permanent de la commission foncière départementale. Euh, Magoudani Alpha, quel est l'impact des conflits entre agriculteurs et éleveurs sur la quiétude sociale et les activités habituelles dans le département de Dogondouki euh, Merci, monsieur Mokhtar. Donc, vous m'amenez à parler exactement des conséquences des conflits fonciers. L'impact. L'impact des, des, conflits fonciers dans notre département. Donc en termes d'impact, le premier d'abord, il y a les dégâts matériels. Ces conflits-là portent également atteinte à la cohésion sociale, parce que dès qu'il y a un conflit, ce que il ça oppose au moins deux, deux parties. Et une fois que ces deux parties-là sont en conflit, vraiment, il est difficile qu'ils reviennent sur les relations d'antan. Il y a l'insécurité, alimentaire, des affrontements qui peuvent occasionner des coups et blessures et parfois même des pertes en vie humaine. Et il y a l'accroissement de la précarité économique des populations. Magoudani Alpha, secrétaire permanent de la COFODEP ici à Douki, quelles sont les conséquences de ces conflits pour le développement socio-économique de l'Aéroa Il y a la dislocation des liens familiaux. Cela porte atteinte à la cohésion sociale, bien sûr. Magdoni Alpha, quelle est la contribution des structures féminines euh, et de la jeunesse pour apaiser les cœurs dans le département Donc, euh, par rapport à la contribution des, femmes, <coughs> des femmes et, des jeunes, je dirais tout d'abord que c'est en fait euh, une partie des gens qui font partie des commissions foncières, que ce soit départementale, la, la COFODEP, ils sont dans la COFODEP. Les femmes et les jeunes sont également dans les commissions foncières communales. Ils sont également dans les commissions foncières de, de base. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, grâce au financement eh, d'un partenaire qu'on appelle le, le, PASEPA, le projet PASEPA, il est en train de, de nous aider à assurer le contrôle de mise en valeur de ces ressources-là en début, en cours et à la fin de chaque euh, de chaque période d'hivernage. Et il y a également l'autre partenaire, le projet Repos, qui est en train d'innover, quelque chose que nous avons effectivement voulu, qui serait très intéressant pour permettre au moins aux commissions foncières de base des villages de procéder à ce qu'on appelle le contrôle de mise en valeur de proximité. C'est de responsabiliser chaque commission foncière de base pour qu'elle s'occupe au moins du contrôle de mise en valeur des ressources qui sont dans le terroir villageois, notamment les couloirs de passage, les aires de pâturage, les points d'eau, etc., etc. Monsieur le secrétaire permanent de euh, la commission foncière départementale COFODEP, rappelez-nous les missions de la COFODEP ici à Dogondouki. Donc ici à Douti, les missions de la commission foncière départementale sont multiples. La première mission, c'est l'encadrement des commissions foncières, notamment les commissions foncières communales, et aussi l'accompagnement des commissions foncières de base. Aussi, cette commission assure également tout ce qui concerne le contrôle de mise en valeur des ressources départementales qui sont intercommunales et également la tenue du dossier rural au niveau du département, c'est-à-dire qui englobe toutes les transactions qu'il a eues au niveau de la base au niveau des commissions foncières peuvent aussi être archivées au niveau de la, de la COFODEP. C'est ça qu'on appelle donc le dossier rural. Il vous arrive euh, le plus souvent à être euh, sur le terrain. Quel est l'impact de ce déplacement euh, sur le terrain Généralement, quand nous sortons, c'est dans le cadre soit des renforcements des capacités des structures du code rural au niveau de, des communes ou au niveau des villages. Aussi, nous procédons, comme je l'ai dit tantôt, au contrôle, aux missions de contrôle de mise en valeur et l'exercice aussi de la police rurale, puisque nous accompagnons de voir on sort ensemble avec les autorités traditionnelles et les autorités administratives, notamment le préfet, eux qui ont le pouvoir de l'exercice de la police rurale sur les ressources partagées. Est-ce que les couloirs de passage sont très bien balisés ici euh, dans le département Ici, dans le département de Douti, nous disposons de cinq couloirs internationaux, de cinq couloirs principaux internationaux, et ils sont tous balisés. Il y a des points d'abrivage qui sont là identifiés et spécifiques au cheptel Nous avons déjà, dans le cadre du schéma d'aménagement foncier de la région de Rousseau, élaboré Reconnu en, 2018, notamment, nous avons la situation exhaustive des mares, des points d'eau, des puits et forages pastoraux, des aires de pâturage, des couloirs et parcs de vaccination, etc. etc. Nous disposons de tout cela. Que faites-vous pour encadrer les différents acteurs, éleveurs, agriculteurs, euh, pour prévenir euh, les conflits sur le terrain Par rapport à la prévention des conflits, nous lançons chaque fois des appels à leur endroit pour le respect de ces espaces pastoraux-là, de, par les, les, acteurs, que ce soit les éleveurs ou que ce soit les agriculteurs, nous les appelons au respect de ces, de ces espaces pastoraux-là. Est-ce que vos messages parviennent directement aux concernés Bien sûr, ils parviennent aux concernés, mais dire qu'ils respectent à la lettre, c'est trop dur, c'est ça le souhait. Merci beaucoup, Magoudani Alpha, secrétaire permanent de la commission foncière départementale de Dogondouki. On va donner la parole à présent à Boubacar Maman de la plateforme paysanne. Euh, depuis quelque temps, les conflits ont quand même euh, baissé d'intensité grâce à l'implication de l'État nigérien et de ses partenaires. Quelles sont les dispositions prises à l'échelle du département de Dogondouki pour euh, réduire l'intensité de ces conflits? Euh, merci Studio Kalangu, merci Radio Dallol de nous avoir donné cette occasion quand même pour la prévention des conflits. Les dispositions prises, il y en a plusieurs. C'est surtout les sensibilisations par les autorités, la préfecture, le COFODEP, les chefs traditionnels surtout, qui ont un rôle vraiment principal dans, tout ça. Là. Et tous les espaces pastoraux, là, couloirs de passage, aires de pâturage, ça a été sécurisé. C'est sécurisé à d'outils c'est sécurisé. Donc, peut-être le seul problème, c'est de respecter les textes du Code rural. Le monde rural, là, ils ont une méconnaissance de ces textes. Il faut toujours continuer à les sensibiliser. Vous le faites euh, quotidiennement sur le terrain On le fait quotidiennement avec les chefs traditionnels à chaque occasion. Mais les marchés, les baptêmes, les... vraiment. À tout moment, euh, on est avec les chefs en train de faire ça appuyé par les autorités de la préfecture et puis les COFO. Et le message passe euh, Par rapport aux autres, à l'intérieur du Niger en tout cas, quand on voit les choses, on va dire pour Douchi ça va. On va dire pour Douchi ça va, à, part quelques incidents, vraiment l'année passée, où il y a eu un incident jusqu'à. jusqu'à il y a eu même un mort. Mais à part ça, en tout cas, Douchi c'est très rare. Les gens arrivent à contenir leurs problèmes, à concilier les, leurs gens. Il y a quelques tensions par-ci, par-là, mais on arrive à maîtriser. Boubacar Maman, vous qui êtes les acteurs clés, euh, quels sont vos efforts pour le retour de la quiétude entre les différentes communautés du département de Dogondouki L'effort qu'ont fourni nous, les organisations pastorales, c'est notre arme, c'est surtout la sensibilisation. Avant le départ des animaux vers le nord, il faut les sensibiliser. De retour, il faut aller là-bas très loin les rencontrer vers Sukukutan avant qu'ils ne viennent pour leur dire que vraiment il reste encore les cultures c'est pas fini les travaux des de, culture cultures c'est pas terminé donc il faut s'arrêter surtout on a suffisamment il y a des mares il y a des forages il y a des puits pastoraux pour Douti là vraiment il suffit de faire respecter les textes ça peut aller tout à l'heure, vous avez évoqué la méconnaissance des textes. Que faut-il faire euh, pour amener les différents acteurs à comprendre la nécessité de prévenir les conflits ici dans le département de Dougondoki Nous, nous avons même proposé aux gens de faire des forums. Des forums où il faut inviter tous les leaders, les garçons, les rougas, les chefs des tribus, les personnes vraiment, les piliers nous avons toujours demandé à ce qu'on fasse un forum où tous les acteurs seront là, que ce soit du côté de l'élevage ou de l'agriculture, en débattre. Il y a un poser les problèmes devant eux et leur demander de, de, donner des pistes de solutions pour vraiment amortir ou même arrêter ces, ces, genres de conflit. Ou vraiment, je pense que c'est évitable même. C'est évitable. Pour le département de l'outil, c'est évitable. On peut éviter on peut éviter. Il suffit de rencontrer tous ceux qui a comme leader de temps en temps et avoir leur départ sensibilisé. au retour, les trouver là-bas, avant qu'ils ne viennent sensibiliser. Et le système même d'information, de communication à travers les téléphones, tout ça là. Boubacar est-ce que la parenté à plaisanterie est un moyen euh, de prévention et de gestion des conflits dans une localité nigérienne quelconque En fait, c'est ça qui est en train de disparaître petit à petit. La parenté à plaisanterie. oui, c'est ça qui est en train un, peu de reculer. Sinon, à travers ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut régler. Et pour le cas de Douti, c'est les Maurice et les pulls. C'est des, parents en plaisanterie. Les parents à plaisanterie, vraiment, où les choses, on peut. Avant, c'était vraiment très facile de régler les choses dès qu'on di a kamata kaza vite fait tu vas voir il y a beaucoup de choses qu'on règle comme ça mais malheureusement maintenant avec la haine, avec euh, les gens ne sont pas tellement droits. Comme euh, comment faire pour promouvoir ces genres de valeurs, euh, ces genres de pratiques ici à Dougandouki Comment faire pour les valoriser Vous aurez la parole, Monsieur le SP, après. Allez-y. Bon, c'est les rencontres. Hein. C'est les rencontres trouver des trucs euh, collectifs, des travaux collectifs où les deux parties se retrouvent pour travailler ensemble. Et à travers ça, il y a des échanges, tout ça là. les gens, les uns des autres, vraiment, ils peuvent avoir confiance entre eux. Mais avec l'histoire des distances, là, chacun prend sa distance. L'écart là nous rend les choses difficiles. Vaut mieux trouver des, des méthodes de rencontre culturelle comme dans Kassarifé de temps en temps, il y a, les Choro, il y a les Asaka, tout ça là. C'est des événements culturels. Des événements culturels et que les gens se retrouvent, on rit, on fait tout. Ça apaise les tensions. Ça apaise les tensions. Merci beaucoup, euh, Boubacar Mamana Magadouni Alpha. Allez-y, vous avez quelque euh, chose à euh, ajouter au sujet de la, cohésion. la cohésion. Boubacar est en train de dire par rapport à la parenté à plaisanterie. Lui, il pense que aujourd'hui, quoi, c'est un mécanisme ou bien une stratégie qui a un peu diminué d'intensité par rapport à il y a longtemps. C'est vrai, ça a diminué, mais jusqu'à présent, je crois que cette parenté à plaisanterie-là, pour le cadre spécifique de Douti, je crois que cette parenté à plaisanterie a, son rôle, quoi. A son rôle. Tout à l'heure, je ne sais pas, pour rappeler une anecdote dont je vous ai parlé, il y avait un, jeune homme, effectivement c'est un Maori, cicatrisé bien sûr. Il a pris son couteau, il a, en brousse, il a profité de l'absence de peut-être... Des passants. Des passants. Il a, il a égorgé une anesse noire qui était même en gestation. Donc il l'a égorgé et Malheureusement, il a prélevé de la viande qu'il a vendue qu'il a, a vendue au niveau de du la ville de au, niveau des marchés, même dans les rues. Maintenant, quand on l'a, pris, on l'a amené à la justice, le jour de son jugement, le juge qui devait en fait l'entendre, il s'est trouvé comme par, par, coïncidence, c'est un badré le juge lui a demandé, toi là, mais pourquoi tu fais ça Tu es qui Il dit que je suis Maintenant, <laughs> il a fait toute la salle, y compris même celui qui a porté plainte. Il se trouve que l'ANES appartenait à un peuple. Maintenant, lui, il a porté On a demandé au peuple s'il a des, s'il se, constitue parti civil, quoi, s'il a des réclamations. Après, il a dit, ah, ah tout d'abord, donc, euh, c'est pour vous dire quoi, à quel point cette parenté a présenté. Ici, dans l'Ariwa il n'y a même pas une famille où il n'y a pas, qui n'est pas son propre berger. Chaque famille a son berger et depuis les temps immémoriaux, c'est comme ça et ça continue. Malgré toutes les, effectivement, les difficultés aujourd'hui, mais malgré tout, on arrive quand même à vivre en symbiose avec, avec eux. Ce qui nous cause des problèmes, c'est surtout les, les, passants, ah, les étrangers, les euh, éleveurs, étrangers qui viennent. Quand ils viennent, la pression est telle que c'est difficile de contenir tous les cheptels, quoi. surtout à la, à la descente euh, des, des animaux, parce qu'ils viennent précocement. C'est ça qui est difficile à gérer, la descente précoce, c'est-à-dire avant la libération des champs. Ça, chaque année, en tout cas, nous vivons ce problème-là. Ok, Merci beaucoup à tous. On observe une courte pause. À présent, nous allons donner la parole à l'honorable chef du canton de l'Arewa, Amadou Sabou. Honorable, que faites-vous pour promouvoir certaines valeurs traditionnelles euh, telles que le cousinage à plaisanterie, qui est quand même un facteur régulateur euh, de tension ici dans le département du Dogandouki Et ce qu'on note euh, de cousinage de Douty, surtout euh, Barré, Peul, euh, et autres. On le constate même sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux oui, c'est normal. Et c'est beau, ça fait rire. Ça fait rire et ça apaise. Je vous dis, euh, l'année passée, vous n'êtes pas seul le savoir, à cause du problème du, du Nigeria voisin, tous les cheptels qui doivent passer à partir de Bangui, Connie et Sarnawa, à cause du problème de, de, l'état de Sokoto, ils sont rabattus sur Douti. Parce que si tu passes là-bas, ce soit tu péris ou tu péris avec tes animaux. Donc ils se sont rabattus sur l'axe d'outils pour rentrer à Tibiri, à Kébi, pour reprendre la route, pour contourner le problème de sécurité de, Sokoto. Donc, vu ce problème-là, c'est qu'on a vu euh, vécu l'année passée, il y a beaucoup la contribution, euh, en tout cas de cette plaisanterie, pour apaiser. Sinon, euh, ça serait très, très, très dangereux. Si c'est d'autres contrées, ça serait très dangereux. Il y a beaucoup de, en tout cas, de, dérives. Mais comme il y a toujours ces structures qui est là, ils essayent de comprendre dans le champ, ils essayent de se comprendre au niveau du chef de village, arriver au chef de canton, donc il y a beaucoup d'apaisement lié à cette histoire de cousinage. Si ce n'est pas ça, il faut. Euh, l'année passée, on a été victime de descente précoces euh, des animaux de tous les contrées que j'étais dit. Donc, il y a beaucoup de contributions. Il y a même le même de contributions de religieux qui sont suivis, euh, des leaders religieux, qui sont suivis aussi par la population à travers leur foutoir, à travers du mariage, à travers euh, des, des, baptêmes qui, euh, à mon instruction, sensibilisent euh, les gens pour la cohésion. Hein. Donc, il y a beaucoup de ces termes qui sont développés et on arrive quand même tant bien que mal à contenir la population. Stations. Oui, sauf si ce n'est pas un incident qu'il a, qu'il a dit, qui était nouveau parce que d'habitude, on n'est même pas des, des, conflits à mort pendant le, pendant qu'il quittait malheureusement, ça s'est passé pendant qu'il quittait pour aller au nord. Honorable, tout à l'heure, le secrétaire permanent euh, du COFODEP a soulevé une préoccupation. Il disait que ce sont les éleveurs euh, qui sont de passage qui arrivent à avoir des problèmes avec euh, les agriculteurs. Que faites-vous pour sensibiliser ou pour réduire ces conflits avec les éleveurs de passage Oui, ce qu'il a dit, c'était vrai parce qu'avant ce problème du Nigeria, là, c'était fini. Nos problèmes, c'était presque fini parce que euh, chaque année les dégâts champêtres que je donne, que je donne à la fin de chaque récolte. Sinon, les années antérieures, c'était retenu. Mais avec ce problème du, de l'état de Sokoto, quand il commence à se rabattre sur l'année passée et l'année passée, donc on gagne euh, euh, beaucoup de, de problèmes, d'incidents c'est pas à cause de notre euh, cheptel ici. ce sont ces, ces étrangers-là qui doivent passer avant la récolte. Donc, c'est leur passage. mais est-ce qu'on peut encadrer euh, ces éleveurs Non, il y, y a, des euh, mesures qu'on a prises on a mesuré cette année parce que l'année passée, avec leurs problème, on a pu quand même tout recenser, tous les différents groupes qui sont passés. Donc, dans l'intention cette année de les sensibiliser avant la descente. Parce que je peux te dire, il y a le groupe vertakanama, on a arrêté les leaders. Il y a des groupes des Dograwa, il y a le groupe des Tawa, il y a le groupe des gens qui sont euh, au Nigeria, il y a des groupes des gens qui sont à Gaïa. Ces groupes-là, on a pu quand même arrêter tous les numéros, tous les leaders, pour que cette année, la mesure qu'on va prendre, c'est de les sensibiliser avant même la descente avant qu'ils descendent, c'est de les regrouper là-bas, les sensibiliser et les dire davantage, en tout cas, euh, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. De suivre leur... Euh, parce que vraiment, Douti a fait un travail impeccable pour que le leveur et l'agriculteur se sentent tout chez lui, chez eux. Quand il va passer, il y a les couloirs de passage sur les couloirs par ça, dotés des points d'eau modernes et depuis aussi. Arrivé au couloir, quand tu vas dormir, il y a des heures de pâturage aussi, qui se situent peut-être des 20-15 km. Il y a même des points de repos. Donc je ne vois pas pourquoi un éleveur va déraper, aller dans les champs. Donc c'est dans le même sens-là, avec tous les groupes qu'on a euh, recensés, qu'on va, en tout cas cette année sur lieu levé, on va les sensibiliser davantage avant qu'ils descendent. Parce que le seul problème, c'est eux. Eh, Ce n'est pas notre propre même eh, éleveur eh, qui, font des problèmes. Ce ne sont pas les éleveurs locaux Locaux, non, Les locaux, on a fini. Je peux, n'ai pas amené, mais je peux te prouver ça. Euh, dans les années antérieures et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours, chaque année, on fait de, en tout cas des comptes sur les conflits qu'on rencontre, en tout cas à mon, à mon niveau. Donc ça a commencé à flamber l'année passée et l'année passée, à cause de ce problème que je dit. Mais cette année-là, euh, en tout cas, euh, avec le concours du préfet, ça a été bien géré, grâce à Dieu, grâce au, en tout cas euh, aux uns aux autres, la compréhension des uns aux des autres, grâce même à la plaisanterie, en tout cas parenté, avec le doigt à donner gens et la sensibilisation. Euh, sinon, le vrai problème, le vrai problème, c'est la descente précoce. Honorable euh, chef euh, du canton de Laréwa, quelle est la place de la femme dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage ici à Dogandouchi Dogandouchi, la femme, vous avez dit, la femme est impliquée dans Même à, l'autre notre chefferie, il y a trois ou quatre femmes qui sont représentées à Sarounia il y a Jacadia, il y a Magadia. Quels sont les rôles euh, honorables Les rôles, c'est de sensibiliser aussi, c'est d'amener les gens aux raisons, c'est d'aider les gens aussi. il, y a, beaucoup de femmes cultivatrices. Euh, euh, les femmes ont accès à la terre ici Les femmes ont accès à la terre, nous, on n'a pas ce problème-là. Même avant-hier, j'ai donné une tonne aux femmes, j'ai donné une tonne de semences améliorées pour des femmes, ce que je fais à chaque année. Donc j'ai déjà même envoyé, ils ont déjà bénéficié parce que d'outils, les ici, à les cultivateurs connaissent l'importance de l'utilisation des semences de variétés améliorées. Bien sûr, toi aussi, parce qu'il y a des, il grandes entreprises qui font la fierté même de Dosso Silo le Niger. Sinon, si le taux de semences améliorées de Dosso s'est remonté, c'est grâce à Douchi, c'est grâce à des grandes entreprises, l'entreprise Alheri et l'entreprise Ambota. Quand vous enlevez ça dans Dosso, il n'y a presque euh, euh, rien qui marche. C'est ça qui fait flamber. Dosso vient en deuxième position sur la couverture de, de ces améliorées sur le plan national. C'est grâce à Douti. Merci beaucoup, honorable chef du canton de l'Arewa, M. Magdouni Alpha, euh, secrétaire permanent de la commission foncière départementale de Douki. Dans les sociétés traditionnelles africaines, les femmes jouent un rôle prépondérant dans tous les domaines de la vie sociale. L'honorable chef du canton vient de le rappeler tout de suite. Comment la femme euh, peut-elle contribuer à prévenir les conflits et participer au développement du pays par rapport à la participation au développement, vous l'avez presque effleuré. Mhm. Le chef de canton vous l'a dit que la femme, sur le plan social, elle est partout, mais aussi par rapport à la terre. Ici, à Douti, le problème ne se pose pas comme ailleurs. Parce que ici, en cas de, décès d'un parent, par rapport à l'héritage, les femmes aussi héritent de la terre. Donc elles héritent de la terre et elles produisent aussi, Parce y, y, a beaucoup de groupements maraîchers féminins, n'est-ce pas, qui arrivent à produire beaucoup de choses aussi. Alors, pour un peu apaiser les tensions entre les différentes communautés, pour apaiser les tensions entre agriculteurs et les verts, quelles solutions préconisez-vous en tant que, spécialiste du domaine de la COFEDEP Pour apaiser les tensions entre les communautés, nous avons tout d'abord parler de la parenté à plaisanterie, faire la promotion de cette parenté à plaisanterie. C'est aussi une stratégie. C'est une stratégie. Non seulement c'est un mécanisme, mais c'est aussi une stratégie de prévention des conflits fonciers. Aussi, on a l'information et la sensibilisation des acteurs dont Louis Boubacar vous a un peu parlé par rapport aux questions que vous lui avez posées. Donc, euh, information, sensibilisation des acteurs sur les textes du Code rural Maintenant, vous avez le renforcement des capacités des acteurs dont j'ai parlé tantôt lors d'une question que vous m'avez posée. Je vous ai dit qu'on est en train de procéder au renforcement des capacités de nos structures du Côte rural au niveau village et au niveau des communes. Notamment, comme prévention des conflits, il y a la délivrance des actes de transactions foncières. D'ailleurs, on lance un appel aux gens au niveau des commissions foncières que les gens puissent au moins venir faire en fait sécuriser leurs droits fonciers. Donc, euh, faire des enregistrer, euh, enregistrer etc., etc. Notamment, vous avez la détention coutumière, n'est-ce pas, qui, qui, règle le problème d'héritage et de succession de la descendance, etc. Vous avez l'attestation de donation, s'il y a donation, l'attestation de vente, si vous vendez. À ah, tout cela concourt à prévenir ah, euh, les conflits. ça concourt à prévenir les conflits. Puisque quand vous faites les causes de conflit, c'est quoi C'est quand vous faites une transaction sans un acte formel. Ça pose des problèmes. Quand, par exemple, vous avez contracté un gage coutumier auprès de et que s'il n'y a pas d'acte, avec le temps, n'est-ce pas Peut-être à la mort de l'une des parties, l'autre dira, celui qui a contracté le gage dira qu'il a acheté. Et vous ne pouvez pas prouver <laughs> qu'il n'a pas acheté, c'est ça le problème. C'est pourquoi on encourage les gens à vraiment faire enregistrer leurs droits au niveau des commissions foncières. Il y a la sécurisation aussi des ressources partagées. Les ressources partagées, ce sont surtout les ressources relevant du domaine public de l'État, que sont les aires de pâturage, les couloirs de passage, les points d'eau, pastoraux, etc., etc. Merci beaucoup, euh, monsieur le secrétaire permanent euh, de la COFODEP, Boubacar Mamana, de la plateforme paysanne. Que faites-vous ici à Dogandouki euh, pour promouvoir des valeurs de coexistence pacifique ici Merci, monsieur de Studio Kalangou. Vaut mieux prévenir que de guérir. Mhm. C'est ce que surtout nous sommes en train de faire nous sommes pleinement dans les préparatifs euh, de la campagne agro pastoral 2024 surtout. Euh, quelles sont les dispositions prises au niveau de votre structure pour prévenir et gérer les conflits Voilà, ben, le chef de canton a un peu touché au problème. Euh, cette année-là, on va prendre des précautions. On a même pris, avant qu'il ne remonte vers le nord, il faut qu'on voit tous les leaders. Déjà, il y a des numéros, leurs numéros, leurs contacts qui sont, qui sont pris. Répertoriés. Répertoriés, déjà, on attend seulement le, moment de remonter vers le nord là pour voir tout ce qu'il y a comme leader et les informer, les sensibiliser, et leur parler des textes du code rural, d'éviter la descente précoce, bien que bon, il y a aussi l'insécurité et qui fait pression. C'est surtout l'insécurité qui fait, il a l'insécurité fait pression surtout. L'insécurité autour, euh, du département a le nord, et puis, il y a au sud, c'est nos voisins de Nigeria, il y a des problèmes vraiment. Il n'y a que l'accalmie, c'est au centre, en fait. Le nord, ça ne va pas. Au sud, là-bas, avec les voisins, ça ne va pas. Et ça, ça contribue au, conflit, au descend très tôt, là, tout ça, là. avec la pression des, des animaux des, des, des, autres communautés qui ne sont pas ici, qui ne sont pas ici du tout. Avec leur arrivée, là, tout est plein à craquer ça va de soi à ce que ça, ça déborde. Boubacar Mamana, ici à Douki, quelles sont les autres difficultés de la mise en œuvre de la promotion de la paix et la cohésion sociale Pour moi, les difficultés, vraiment, surtout, c'est l'histoire de la conciliation au niveau là-bas de la base, qu'au faut de base. Les gens ont tendance à prendre parti. Sinon, on pouvait gérer les conflits là-bas sur le terrain sans que ça ne soit ici au niveau du chef de canton ou de groupement ou de la justice. Les textes ont autorisé à ce que l'éleveur seulement et l'agriculteur dans le champ, ils peuvent concilier les choses et puis s'arranger, finir le truc. Mais malheureusement, maintenant les gens ont tendance, chacun prend son parti. Ah ça c'est l'agriculteur ou bien ça c'est l'éleveur. Alors qu'un chef c'est un chef. Le chef doit prendre au même niveau tous ce qui y a comme éleveur ou agriculteur. Et il y a la commission paritaire qui sont placés. Il y a des commissions les voilà, il y a des éleveurs, il y a tel nombre d'éleveurs, tel nombre d'agriculteurs. Tout le monde est présent. Donc c'est d'aller constater les dégâts et maintenant venir en fonction de ce qui a été saccagé, on vient, on, concilie les gens. mais très malheureusement, tantôt on ne part pas voir les dégâts, on essaie de concilier sans constater pour vous, euh, il serait important euh, d'effectuer le déplacement sur le terrain Voilà, pour faire, comprendre à ces gens-là, avant de concilier les gens, c'est obligatoire d'aller constater qu'est-ce qui a été fait comme dégâts. Ça, c'est un. De deux, une fois qu'on vient au niveau du chef de village, le Maïgari, là, il n'a pas, pas une partie pris, vraiment. Il n'a pas à faire. Les, et l'éleveur et l'agriculteur, c'est pour lui. Ça a été constaté, voilà ce qui a été fait comme dégâts, il construit en fonction de, de ce qui a été saccagé vraiment. Merci beaucoup Boubacar Monsieur le SP, vous avez quelque chose à ajouter rapidement Donc euh, permettez-moi au moins, comme l'occasion s'est présentée, mm-hmm. de rappeler un peu les mécanismes de gestion des conflits fonciers. Rapidement. Comme mécanisme, il y a l'article 149 de l'ordonnance 93-015 du 2 mars 93 fixant les principes d'orientation du code qui dit ceci la procédure judiciaire doit obligatoirement être précédée d'une tentative de conciliation des conflits par les autorités coutumières, ce qu'il vient de dire. Donc le résultat de la conciliation coutumière est consigné dans un procès verbal. N'est-ce pas Maintenant, la première étape, c'est la conciliation ou le règlement à l'amiable. C'est ça qui est préconisé entre l'agriculteur et, le, et celui qui a commis les dégâts. Parce que même l'agriculteur peut, peut, être, peut commettre des dégâts, il a des animaux. Donc moi je dirais entre la victime des dégâts et celui qui a commis les dégâts, on voudrait qu'ils s'entendent mutuellement quoi, entre eux. Maintenant, quand, quand cette entente échoue, c'est en ce temps-là que la commission paritaire, telle qu'il vient de dire, est enclenchée. Cette commission paritaire, c'est quoi Ce sont les chefs c'est au niveau des, villages. Le chef de village est le président et c'est différent de la commission foncière de et Ici, c'est une commission ad hoc chargée uniquement de régler la question des dégâts champêtres, pas plus, pas moins. Maintenant, le chef de village, il essaie de concilier les deux parties. S'il n'arrive pas, c'est en ce temps-là qu'il établit un, un PV de non-conciliation. Maintenant, ce PV-là, il, renvoie les deux parties à l'échelon supérieur au niveau du chef de canton ou de groupement selon les cas. Le chef de canton, lui aussi, il va essayer de concilier les deux parties et là, s'il ne parvient pas, il dresse un PV aussi de non-conciliation. À ce niveau-là, n'est-ce pas, il les renvoie directement à la, justice. Pas à la préfecture, pas à la mairie. Donc c'est à la justice. Du chef de canton, c'est la justice. La justice, le tribunal d'entente, bien sûr, quand on prend le cas de Douti, maintenant, ce tribunal, lui aussi, il essaie de concilier même au niveau du juge. Là, s'il ne parvient pas, il peut faire un jugement. Maintenant, une fois l'affaire jugée, on appelle les deux parties, n'est-ce pas Elles entendent la sentence du juge celui qui n'est pas d'accord, peut-être il a 15 jours, je crois, pour pouvoir. Pour faire appel. Pour faire appel. S'il fait appel, il progresse au niveau du tribunal de grande instance de Dosso, pour notre cas, pour la région de, de Dosso. Donc là-bas, le juge essaie encore de faire la, conciliation. S'il ne parvient pas, il juge. Et maintenant, après le jugement, celui qui veut, il peut faire appel à cassation. Donc, il va à la cour de cassation. Là-bas, vous ne le verrez pas, le juge, tout, les, ce qu'il y a eu antérieurement est cassé et on reprend, le, procureur reprend le, jugement. Cette fois-ci, c'est le dernier stade. Ce qui sera décidé, c'est ça qui sera appliqué sur le terrain. Maintenant, on a parlé des PV de non-conciliation. Il y a, au cas où c'est concilié, on fait un PV de conciliation. Merci beaucoup, monsieur le SP. Honorable chef. Pour ajouter, pour juguler tous ces problèmes-là, mhm. Mhm j'ai des appels à trois niveaux. Allez-y. Le premier niveau, euh, j'appelle tous les agriculteurs de respecter les couloirs de passage, de respecter les aires de pâturage, de respecter les mares pour euh, faire voir leurs animaux et de ne pas se faire justice. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, je dis aux éleveurs, quand ils vont remonter au nord, il doit respecter strictement les couloirs de passage. Ils doivent suivre le couloirs de passage. Ils doivent, eh, en tout cas, eh, se pâturer dans les heures de passage. Ils doivent voir dans les heures où il y a de l'eau. Au moment de la descente, ça c'est complètement. Il ne faut pas qu'ils descendent avant la date de clôture des travaux de champ. Ça c'est strictement ferme. Si on fait ça, s'ils font ça, au troisième niveau, j'appelle à l'État aussi de financer les sensibilisations sur ces aspects-là. Quelqu'un l'avait dit qu'il y a du manque de, de, euh, connaissances sur le, code rural, de financer ça là et de garantir aussi la sécurité euh, des agriculteurs et des éleveurs. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir souvent, les agriculteurs et les éleveurs sont, menacés par les, par les gens qui ont le quoi pour demander de quoi euh, les donner. Les groupes armés. et des fois, les gens descendent précocement au péril de leur vie si vraiment c'est réglé à ces trois niveaux-là, je pense qu'il n'y aura même pas de problème à Douti parce que tout est prévu à Douti. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Euh, ce qu'il faut retenir, euh, c'est que à l'issue de ce forum, malgré les quelques conflits qui surgissent ça et là, les différents acteurs euh, s'impliquent nuit et jour dans la prévention. Et l'ensemble de ces acteurs sont appelés à poursuivre et à conjuguer les efforts pour la promotion des valeurs de cohésion et de coexistence Pacifique. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir l'honorable chef de canton de l'Arewa, Amadou Sabo, Magoudani Alpha, secrétaire permanent de la commission foncière départementale de Dogonduki et Boubacar représentant la plateforme paysanne du département de Dogonduki. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Issa Lawali. Merci, au revoir.